Chers compatriotes, je m'appelle Eladji Malik Lo, plus connu sous le nom de Maudolo. Je suis le secrétaire général de la Fédération départementale de Kaolak du Pur. Je voudrais, au seuil de ce nouvel an, vous souhaiter une bonne et heureuse année. Que l'année 2021 soit meilleure que l'année 2020, qu'elle soit une année de paix, de santé et de bonheur pour tous les citoyens pour tous les militants du PUR, de la diaspora, du Sénégal et de mon département. Merci et bonne et heureuse année. Mbaki secrétaire national à la commission logistique du Parti de l'Unité et du Rassemblement, membre du bureau fédéral du département de Guédiouaï. Je voudrais présenter mes meilleurs voeux de bonne et heureuse année à tous les Sénégalais à la diaspora, mais également à toutes les populations du département de Guédiawaye. Que l'année 2021 soit une année de bonheur, de prospérité, mais surtout de santé pour tous les Sénégalais. Merci. Assalamu alaikum, Morba, responsable du Parti de l'Unité et du Rassemblement pour la section Canada donc responsable du PUR section Canada je souhaite bonne et heureuse année 2021 à tous les Sénégalais à tous les militants du PUR particulièrement au président du PUR Serine Mohamed Mouhamadou Je souhaite bonne année 2021 à tous les Sénégalais du Canada particulièrement aussi à tous les militants du PUR du euh, Parti de l'Unité et du Rassemblement qui vivent au Canada. Merci beaucoup. Diraɓe on calminama jurama bonne heureuse année au secrétaire général département Goudiri Pape Mamadou Fall Je vous souhaite bonne heureuse année militant et militante pour FOF, ha tenti président parti maintenant, bonne année heureuse 2021 assalamu alaikum. sen mbokk Babacar secrétaire général fédération le département Madame. maa ngi profité ci occasion bi di ñaanal suñu président du parti sëñ Moustapha yàlla def année bi dañoo nekk année atu tawféex atu naataange di ko ñaanal aussi militant ak militante yu pur yëpp di ko ñaanal aussi population sénégalaise bi yëpp di ñaan tamit yàlla dàqal ñu mbas mi nga xam ne moo fi duggu muy coronavirus euh, mu nekk loo xam ne nii euh, luy jeex ci monde bi yëpp la adduna bi yëpp suñu borom maa ngi di leen jox rendez allah ci xew-xewu Pire fédération Pire bu département Linguère moo leen di ñaanal atum jàmm di leen ñaanal surtout atum xéewal atum naataange di ñaan yàlla Covid bi jóg fi di leen ñaanal at moo xam ne bii ndaw yi dañu amoon xëy ndaw yi dañu amoon xëy.